Merci d'écouter les programmes du studio Kalangu. Vous êtes en compagnie de Top Draman pour l'édition de 18h ce mardi 17 septembre 2019 la une du journal, 20 leaders communautaires formés sur la traite des enfants par l'Association des femmes nigériennes contre la guerre à l'occasion de la cure salée organisée à Ingal, région d'Agadez, le 14 septembre 2019. Toujours à Agadez, après les travaux du comité régional d'orientation scolaire, plus de 80% des élèves du cours moyen ont été orientés vers les collèges d'enseignement généraux. En fin d'édition dans notre rubrique de chaque mardi Femmes et bien-être, tout savoir sur les compléments alimentaires chez l'enfant à partir de 6 mois. Bonsoir à tous. Le président nigérien Issoufou Mamadou a procédé ce matin à Agadem, région de Difa, au lancement des travaux de construction du pipeline international export reliant le Niger au Bénin pour une longueur totale de 1982 km, dont 1298 km en territoire nigérien. D'un coût global estimé à 2800 milliards de francs CFA, la construction de cette infrastructure prévue pour s'achever en novembre 2021 sera exécutée par la CNPC et la société de pipeline au Niger dénommée West African Oil Pipeline Company. Le 14 septembre, à Ingal, région d'Agadez, l'Association des femmes nigériennes contre la guerre a organisé une formation sur la traite des enfants à l'intention de 20 leaders communautaires issus de 20 villages du département. Selon la présidente de cette association, la zone d'Ingal est devenue le nouveau couloir de passage des trafiquants d'enfants. Azara Mahamadou au micro de Moussa Maman. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que grande sœur, en tant que grand-mère, nous avons jugé utile de former les leaders communautaires. Parce que nous avons constaté que quand il y a problème, ce sont toujours les femmes qui souffrent. Et ce sont nos enfants qu'on traîne dans la rue. Ce sont nos enfants qui sont aujourd'hui victimes de la traite. Parce que les enfants de Kanché sont nos enfants. Les enfants d'Agadez sont nos enfants. Les enfants d'Ingel sont nos enfants. Et c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Le gouvernement fait ses efforts. Et nous, nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution par rapport aux efforts du gouvernement notre objectif, c'était d'éradiquer ce phénomène qui a trop perduré. Parce qu'à un moment, nous avons appris que Ingel est devenu aussi un couloir de passage de ces migrants. Avec la loi 036-2015, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Maintenant, ceux qui pratiquent cette affaire-là ont changé de stratégie et ils ont changé aussi d'itinéraire. Et Ingel fait partie de la nouvelle itinéraire. C'est pourquoi nous avons choisi Ingel. Nos attentes, c'est que ces leaders communautaires servent de relais pour sensibiliser leur population. 550 élèves d'Agadez du cours moyen deuxième année ont été orientés cette année dans les collèges d'enseignement généraux de la région sur un total de 11 032. C'est l'une des principales conclusions des travaux du comité régional d'orientation tenu la semaine dernière. Mohamed Rissa Al-Mustafa, chef de la division évolution scolaire à la direction régionale de l'enseignement primaire d'Agadez. Il est au micro de Anissé Karim. Nous avons orienté 6474 au CEG, le CEG traditionnel. 872 élèves sont orientés au CEG franco-arabe et 558 sont orientés euh, dans les CET, le collège d'enseignement technique, soit au total 7904 élèves orientés. Ces élèves-là, ils ont une moyenne supérieure ou égale et pour ce qui est des centres de formation, nous avons orienté 546 au CFM, 50 au CPJ, centre de promotion des jeunes, 50 à l'EFAC, école de formation artistique et culturelle. Pour le centre de formation, nous avons en tout et pour tout orienté 646 élèves. Donc le total des élèves orientés, c'est 8550 pour un nombre d'élèves orientables de 11 032. Vous avez total 11 032 plus 8 550. Donc le reste vont normalement reprendre leur classe, vont redoubler. Manger de la terre, appelée aussi géophagie, est une pratique répandue notamment chez les petits-enfants. Selon les spécialistes, cette consommation de la terre peut avoir de sérieuses complications sur la santé de l'enfant. Madame Sabo Zainabou Adama, pédiatre à la clinique Quarkano de Niamey, répond aux questions de Rahila Toussoumana. Chez les enfants qui mangent de terre, il y a plusieurs signes que l'enfant peut présenter. C'est des douleurs c'est des constipations, c'est-à-dire l'enfant peut faire des jours euh, sans aller au sel, aussi des fatigues. Quelquefois, on a des petits cailloux qui ne passent pas au niveau des intestins, ça s'accumule et on est assisté à des occlusions intestinales et qui apportent à opérer pour libérer ces intestins. Le plus souvent, quand on fait de bilan, on trouve une anémie. Quand on cherche c'est quoi c'est manque de fer. Et dès qu'on trouve ces cas, on demande à la mère, la mère confirme. Et on fait un examen qui fait le dosage pour voir l'anémie là c'est à quel taux. Le plus souvent, on met l'enfant sous traitement. C'est pas un jour, c'est pas deux jours, mais c'est un traitement de trois mois sans arrêt. Et au bout de trois mois, on va voir que l'enfant n'a plus envie de manger la terre. Sur un tout autre plan, la campagne pastorale 2019 dans le département de Dogandouki est caractérisée par une rareté de pluie, ce qui provoque un rabaissement des eaux de surface, source d'abreuvement des animaux. Haruna Mahamman, chef de service production animale à la direction départementale de l'élevage de Dogandouki, explique au micro d'Abdelaziz Dayuma. Euh, la campagne pastorale euh, dans le département de Douti est caractérisée par une rareté de pluie sur l'ensemble des postes suivis. Mais maintenant, par rapport à l'installation du tapis herbacé, il faut dire que toutes les herbacées ont un développement qui va euh, du talage à la fructification. Le remplissage des points d'eau a également suivi un coup à la fin de la troisième décade du mois d'août. Vraiment, on a observé un rabaissement de leur niveau de remplissage. La situation sanitaire est calme, Dieu merci. Toutefois, au cours de cette campagne, on a confirmé un cas de rage dans la commune de Matankari, confirmé par le Labocel et des mesures ont été prises. En termes de phénomènes exceptionnels, durant toute la campagne, nous avons observé un seul phénomène qui a été la perte de 29 euh, têtes de caprins suite à une pluie dans un village de la commune urbaine de Dogonouti. Épiaison à 18% et montaison à 106% pour le mil, levée avancé à 115% pour le sorgho. Quant aux légumineuses comme l'arachide et le niébé, elles sont à 100% de croissance. Dans le département de Bankilare, région de Tilaberi, cette année, la campagne agricole avance bien selon le directeur départemental de l'agriculture. On n'enregistre aucune attaque parasitaire, se réjouit encore Bourema Mamoudou, directeur départemental de l'agriculture au mur de Youssouf Ilewat. Par rapport au mines, nous avons le stade Talage qui occupe 16%, la montaison 66%, les piaisons 18%. Par rapport au sorgho, nous avons levé avancé 75%, à 29%. Par rapport aux légumineuses, euh, notamment le nibé et l'arachide, nous avons 100% de croissance. Par rapport au gombo, aux nous avons 100% de croissance également. La situation phytosanitaire, est calme dans l'ensemble. Nous n'avons pas enregistré d'attaque parasitaire. La situation alimentaire, en tout cas cette année, elle est comparée à l'année précédente. On note un approvisionnement régulier des marchés en vivres avec la euh, prédominance du sorgho. Donc comparativement à l'année précédente, à la même période, les prix sont en hausse pour tous les produits vivriers. Cette situation est facilitée par la vente à prix modéré, la distribution gratuite des vivres et l'amélioration de l'approvisionnement de nos marchés par les commerçants étrangers. Nous conseillons les producteurs d'intensifier surtout la culture du niébé. Le gouvernement nigérien a adopté le 10 septembre un projet de loi déterminant les infractions et sanctions en matière de protection des consommateurs au Niger. Mohamed Nouri, président de l'association des consommateurs ADDC Wadata, se réjouit de cette décision car selon lui, cette loi vient compléter celle de 2015 dans le but d'étoffer la réglementation par rapport à la protection des consommateurs. On l'écoute au micro d'Adama Dawati. Il vous souviendra qu'en 2015, il y a la loi sur la protection des consommateurs qui a été adoptée. Et il se trouve qu'il y a quelques insuffisances, notamment aux infractions et aux sanctions. Donc cette loi vient compléter pratiquement les insuffisances qui ont été remarquées et à notre avis, c'est très satisfaisant parce que ça vient d'étoffer la réglementation par rapport à la protection des consommateurs. Nous sommes pratiquement un pays d'importation en ce qui concerne les produits de première nécessité et certains produits que nous ne fabriquons pas en donc, ça veut dire qu'il y a des stocks, ça veut dire que probablement il y aura des spéculations, des rétentions. Donc, nous pensons que le texte a été bien réfléchi. Certainement, il y a d'autres aspects qui n'ont pas été évoqués liés à la qualité. Et là, il y a des structures appropriées, mais il y a le Conseil national de la consommation qui va être mis en place au moins en 2020. C'est à lui d'apprécier les infractions. C'est à lui de prendre les sanctions. Les travaux de réhabilitation de la route Zender-Tanout avancent normalement selon le directeur régional de l'équipement de Zender. Le taux d'exécution pour le premier lot est de 27% pour un délai consommé de 47% et pour le deuxième lot, le taux d'exécution est de 21%. Aboubakar Bouraima, directeur régional de l'équipement de Zender au micro de Mustafa Mamassani. Le lot 1, c'est l'entreprise Soja Satom qui est adjudicataire de ce lot. À la date où nous sommes, le taux d'avancement physique est de 27% pour un délai consommé de 47%. En débroussaillage, 30 km ont été réalisés sur 40 pour le lot 1, dont une largeur de chaussée de 12 mètres 20. En traitement d'assises, il y a 20 km sur les 40 qui ont été vraiment réalisés par l'entreprise. En couche de fondation, il y a 12 km sur les 40 qui ont été réalisés. En couche de base, il y a 2 km sur les 40 qui ont été réalisés. Il y a aussi l'histoire de la déviation. Il y a 42 km kilomètres qui ont été réalisés sur les 50. pour ce qui est du lot 2, c'est l'entreprise EGBTP qui est adjudicataire de ce lot, là aussi, vraiment, les, les travaux avancent. Le taux d'exécution physique à la date où nous sommes est de 21% pour un délai consommé de 27%. Pour ce lot 2, le délai de l'entreprise pour réaliser ses travaux, c'est 30 mois, alors que pour le lot 1, 18 mois. de Kirozerine Suivez les programmes du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou rythme du Niger. Aujourd'hui, dans notre magazine Femmes et Bien-être de chaque mardi, tout savoir sur les compléments alimentaires à donner à un enfant à partir de 6 mois, qu'est-ce qu'il faut lui donner, comment et pourquoi, propos recueillis par Rahila Toussoumana auprès du docteur Aïssa Soumana, médecin nutritionniste à l'UNICEF Niamey. Les nutritionnistes conseillent à la mère de diversifier l'alimentation du nourrisson après six mois en lui donnant les différents groupes d'aliments pour une bonne croissance. C'est ce qu'explique Dr. Aïssa Soumana de l'UNICEF. Avec l'enquête Smart 2018, on a 14% pour la diversification alimentaire. Mais la fréquence, elle est d'environ dans les 70%. Donc vraiment, on a un problème de diversification alimentaire. Ça veut dire que parfois, à partir de 6 mois, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en tête qu'il faut donner la bouillie à l'enfant. Il est allaité, il faut lui donner la bouillie et la bouillie doit avoir la même constance que le lait maternel. Alors que c'est faux. La bouillie, elle doit être compacte. L'estomac de l'enfant est petit. On doit lui donner une petite quantité qui va remplir son ventre et qui va lui donner les nutriments dont il a besoin. Parfois, la bouillie, elle est constituée de mil ou bien c'est une bouillie de maïs. On n'a pas les différents groupes d'aliments dans cette alimentation -là, alors que l'enfant doit pouvoir prendre tous les différents groupes d'aliments dans la journée pour que son alimentation soit bien diversifiée parce que chaque groupe d'aliments apporte un certain nombre de nutriments qui est différent, qui permet la bonne croissance de l'enfant. Quels sont les groupes d'aliments que vous conseillez à la mère de donner aux enfants après les six mois On a plusieurs groupes. Le groupe des légumineuses et puis des graines, c'est-à-dire le sésame, les arachides, le niébé. On a les groupes des fruits et des légumes. Il y a les groupes aussi de la viande avec le poisson, le lait, qui constitue un autre groupe. Il y a aussi un groupe qui est constitué avec l'huile, le beurre. Donc on doit mixer ces groupes. Chaque groupe constitue une étoile. L'enfant doit pouvoir avoir ses quatre étoiles dans la journée. À quel âge peut-on suivre l'enfant En fait, euh, il n'y a pas d'âge idéal, mais au minimum, l'enfant doit prendre le lait maternel au moins jusqu'à deux ans. Après l'allaitement exclusif, après six mois, il est important de continuer à allaiter l'enfant parce que de 0 à 6 mois, le lait maternel couvre 100% des besoins de l'enfant. Il n'a pas besoin d'ajouter autre chose. À partir de 6 mois, jusqu'à un an, le lait maternel va couvrir les deux tiers des besoins de l'enfant. Après, il va couvrir les un tiers. C'est pour ça qu'on a besoin de compléter l'alimentation de l'enfant avec d'autres, parce qu'à partir de six mois, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins de l'enfant. Et ce qu'on conseille, c'est d'abord d'allaiter l'enfant. Quand il est rassasié, on ajoute d'autres aliments. Ces autres, ces aliments-là, ils viennent en complément du lait maternel, mais il ne la remplace pas. Parce que quel que soit alpha, le lait maternel constitue et reste l'aliment le plus important pour l'alimentation de l'enfant. Le forum de ce soir est en Jarma et porte sur le thème Les organisations de femmes Mata Masoudoubara, communément appelées MMD, comment ont-elles évolué depuis leur création, leur activité et leur philosophie interne avec Balkissa Hamidou. Bonne suite de réception.